tu me diras la suite. Donc, hop là, voyage en local. Quelques mots et le voyage commence. ma Souhaitez-nous la bienvenue dans Discussion Noyo, saison 2, épisode 10. Euh, du coup, je vous souhaite la bienvenue sur Voyage en local. Et du coup, nous avons une nouvelle invitée. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui, je m'appelle Jess, je suis martiniquaise et j'ai 34 ans. Bienvenue, Jess. Bienvenue à toi, merci, merci vraiment de, de nous faire l'honneur de, de nous rejoindre pour euh, cette podcast. Du coup, euh, je voulais vraiment que tu, euh, que tu sois là, que tu viennes partager un peu avec nous euh, ton, euh, ton, ton, expérience du créole, ce que tu en penses. bah, du coup, ouais, qu'est-ce que tu en penses À quelle occasion tu parles le créole qu'est-ce que, ce que, Quelle place a le créole dans ta vie aujourd'hui Euh, alors, la place du créole. En fait, je dirais que j'ai pas trop réfléchi à quelle place euh, euh, euh elle occupe actuellement dans ma vie, mhm. mais elle est pour moi, euh, elle fait partie de mon identité et elle fait partie aussi de ma personnalité. Même mmh. si c'est vrai que je je ne parle pas créole moi-même, mais toute ma famille, tout mon entourage et mes amis, en fait, parlent créole autour de moi. J'ai oui. un, un blocage pour pouvoir le parler, mais mm -hmm. euh, je le comprends parfaitement. Et, euh, et, pour moi, en fait, euh, ben, c'est, ben, ça fait partie de, de, ma vie et, de, et c'est ce qui me, me correspond. Donc, euh, c'est, enfin, je sais pas comment dire, mais euh, ça, ça, a une place importante. oui Mais peut-être que le fait que je ne parle pas fait que que c'est peut-être pas si important pour moi. Est-ce que j'ai le droit de te tranchant. contredire, justement Parce que Comment moi, je sais que j'ai le droit de te contredire. Moi, moi d'où je suis, je sais que j'ai le droit de te contredire. <laughs> Dis-moi. <laughs> non. Euh, <laughs> plus sérieusement, c'est que euh, justement, il y a quelques temps, on s'était eu au téléphone et euh, tu me disais que euh, tu me rappelais une anecdote où euh, tu as parlé créole et tu t'es poussé à parler créole et même à appeler des gens et à, à, à, à, appeler des proches et à leur parler en créole. Du coup, j'ai trouvé ça génial et parce que même comment tu m'en as parlé, enfin, euh, c'est, euh, t'as vraiment du plaisir à parler créole. Du coup, euh, voilà, je sais que tu parles créole, donc euh, je sais que tu essayes, je sais que tu tentes, je sais que tu que tu te jettes à l'eau et, euh, et du coup, c'est ça quoi. Enfin. Est-ce que tu peux euh, nous re, repartager un peu cette anecdote et puis nous, et puis nous dire un peu euh, ce que tu ressens en fait avec ça quoi Oui. En fait, il y a ma très bonne amie <laughs> qui m'a <laughs> qui m'a appelée et euh, qui s'est lancée elle et qui, a, qui m'a parlé créole, euh, qui a parlé créole pendant toute la conversation. Oui. Et donc, je me suis dit, en fait, à ce moment-là, euh, elle fait l'effort, elle, euh, elle fait l'effort de parler créole avec moi, elle euh, s'en fout, en fait, du fait que peut-être euh, je vais euh, me moquer d'elle ou la ridiculiser. C'est pas ça en fait l'important, c'est de faire l'effort en fait de le parler parce que c'est important en fait qu'on puisse garder le patrimoine et surtout mmh. euh, que nos mhm. origines en fait euh, puissent euh, puissent rester en fait. Mmh. Et euh, en fait cet effort là, je l'ai tellement bah, apprécié que je me suis dit Bon, c'est vrai que, que, que tout mon entourage parle créole parce qu'ils ont aussi cette facilité parce qu'ils sont aussi sans doute nés là-bas et peut-être parce qu'ils ont fait cet effort et que moi, euh, j'ai eu ce blocage euh, peut-être très tôt. Mmh. Et, euh, et, et, le fait, en fait, qu'elle puisse euh, faire cet effort-là, je me suis dit, bah, pourquoi elle, elle le fait et elle, elle aussi, elle est née en France. Et pourquoi moi, je le ferais pas Est-ce mmh. que c'est un rejet, alors que je ne rejette pas, en fait, le créole donc, mmh. euh, pour moi, en fait, le, le, le jour de la fête euh, du, la fête du, du, du créole, ouais. je me suis dit, je vais appeler ma famille et je vais faire cet effort. Ah, génial. <laughs> Ah, et oh, c'est pas grave s'ils se moquent de moi, et c'est pas grave parce que mon ami l'a fait, <laughs> donc je peux le faire. <laughs> voilà. Non, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, ça m'a beaucoup touché à euh, cette anecdote. Parce que euh, c'est même des, des, souvenirs que j'ai, enfin, au final, personne ne s'est moqué de toi. Euh, non, mais c'est vrai que dans mon enfance, en fait, Euh, le peu de fois où j'ai parlé créole, euh, comme j'ai l'accent euh, assez euh, francisé, mhm. euh, du coup, euh, enfin, j'abîmais un petit peu le, le, langage et du coup, il y avait beaucoup de, de railleries en fait à chaque fois. Ouais. Et, et, en fait, ça bloque, ça, ça, ça, ça t'empêche d'apprendre parce qu'en fait, par manque de pratique, justement, on ne, bah, on n'évolue pas en mm. fait dans, dans, dans, dans l'apprentissage du langage. Oui. Donc donc du coup, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté de le faire. Ouais, c'est vrai que un peu. avoir une amie qui, qui elle, se bat euh, ben, et, et, continue à progresser, et peu importe les railleries, parce que de ses peut-être de ses proches ou de ses amis, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous dans la même situation. Euh, mmh. ben, ça m'a poussé moi à faire l'effort pendant un jour au moins de ben, d'aller au-delà de ça. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est c'est important, mais euh, Mais on, je pense qu'on a tellement peur, euh, au fond, de ce que peut penser, peuvent penser les autres de, de, de, de soi, et puis mmh. aussi d'être déçu, en fait, d'abîmer euh, notre, notre langue d'origine, en fait. C'est plus ça. En fait, je pense que j'ai pas de mal avec les autres langues parce que ça me déçoit pas, on va <laughs> dire. <laughs> Mais euh, le créole, l'abîmer, pour moi, c'est genre, euh, comment ça, quoi C'est la On le met trop sur un piédestal. Euh, <laughs> voilà, c'est. Mais oui, <laughs> non Oui, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, y a... je trouve que c'est vrai, à des moments, on le met tellement sur un piédestal qu'on ne veut pas essayer, on veut pas. On le... C'est trop, euh, c'est trop lointain, donc. Euh, enfin, ça, ça, ça, donne un côté trop lointain, trop. Euh, trop. trop glorifié et euh, à outrance. Ouais. Donc ça nous empêche effectivement, ça peut nous empêcher de pratiquer. Mais euh, faut aussi, euh, mais, mais, du coup, faut, faut aussi qu'il soit quand même proche pour quand même essayer. Et mais c'est bien aussi de le glorifier pour se dire bah ouais, je veux faire aussi des efforts pour s'améliorer en fait. Pour s'améliorer, on peut aussi glorifier pour ça quoi. Et euh, justement, enfin là, moi ma, ma question aussi c'est euh, du coup à l'issue de, cette, euh, de, cette, euh, de ce défi que tu t'es lancé, de cette journée du créole, journée mondiale du créole que tu as, que tu as célébrée, euh, bah, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a fait, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a fait de ah. parler créole, de, de tenter comme ça, de, euh, de euh... Ça franchement, ça m'a fait du bien. Ouais. En fait, oui. je me suis sentie euh, fière de moi. Ouais. Je me, sens, je me suis sentie fière et je me suis dit, voilà, tu vois, euh, bah, je peux en fait euh, parler mm. créole. Mmh. Bon, certes, certes, je vais chercher mes mots, ça va pas venir tout de suite, Mais euh, je me dis que c'est possible si, euh, si je, je, pratique un peu plus et qu'il faudrait vraiment que, que j'arrête de, de penser au, au jugement que, que les autres euh, vont avoir de moi, qu'il faudrait que je me lance mm. beaucoup plus souvent, en fait. Ouais. je me suis sentie bien, vraiment. ah, ça c'est cool. Franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Merci. Parce que, ouais, effectivement, c'est pas. Enfin, ce que tu dis, c'est vrai, hein, c'est que c'est pas, c'est pas facile. parce qu'il faut pouvoir aller euh, au-delà de euh, ce que pensent les autres et même des, euh, des, bah, des limites qu'on peut se mettre, des peurs qu'on peut avoir, un peu des anxiétés. C'est pas, pas toujours facile. Et, euh et l'essentiel, en fait, c'est de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, d'être de, d'être content, d'être content des efforts qu'on peut faire, ça, ça joue beaucoup, quoi. Ça joue ouais. beaucoup. Du coup, tu vas recommencer quand <laughs> à la prochaine journée. <laughs> <laughs> oh je vais essayer de trouver un calendrier pour trouver des journées. il faut que mon ami m'appelle avant. ça, <laughs> ça va me motiver. Je vais, on va essayer de trouver un calendrier où on va dire qu'il y a plein de journées du créole un peu partout. Là. On, va essayer de, on va essayer de trouver des choses. euh, non, franchement, ça m'a fait du bien parce que j'ai, euh, comment dire, quand, par exemple, je parle à mes grands-parents, ouais. euh, les grands-parents, euh, leur langage, c'est le créole. Mmh. C'est pas le français. Donc, en fait, le fait de parler français, des fois, je parle trop vite. Euh, mes grands-parents ne, ne, me comprennent, ne, ne me comprennent pas forcément, ne comprennent pas l'ensemble, enfin, tout ce que je dis. Ouais. Et euh, c' est c' est ça crée pas une une séparation ni, rien, parce que je reste leur, leur petite fille. Mmh. Mais moi, ça, ça me gêne. Et le, le, fait, je sais que ça leur aurait fait plaisir aussi que je puisse parler créole, mais le fait que je puisse euh, pas parler créole comme eux, j'ai peur de les décevoir en fait. Je pense aussi que c'est ça. Le fait de décevoir, euh, parce que forcément si je parle créole, je parle créole avec ma famille. Ouais. Mais le fait de les décevoir, de pas être parfaite d'un coup, euh, c'est une peur. Ouais. Ouais, je peux, je comprends, je comprends, j'entends. Mais euh, en fait, le créole, c'est une langue, c'est une langue à part entière. C'est une langue à part entière. Comme tu l'as dit aussi, ça, et tu l'as, tu as bien répété, c'est que c'est la pratique aussi. On la pratique, on, on étudie euh, l'anglais, on étudie l'allemand, on étudie l'espagnol, on étudie le japonais, on étudie euh, le russe. Euh, on peut étudier aussi le swahili, plein d'autres langues. Et du coup, euh, le créole aussi, c'est une langue maternelle, c'est une langue régionale, c'est une langue vivante à part entière. Du coup, euh, ça s'étudie. Et puis, euh, franchement, c'est euh, c'est vrai, c'est que pour tes grands-parents, même pour d'autres, le fait de pouvoir les mettre à l'aise en parlant dans leur, langue, dans leur langue maternelle, ils seront, ils seront toujours, enfin, toujours, enfin, les gens saluent toujours, moi je, trouve, je pense que les, les gens saluent toujours l'effort. Ils saluent toujours l'effort. Rien que de dire des petits mots dans leur langue maternelle, dans n'importe quelle langue, je vois que les gens saluent toujours l'effort. Mais, mais t'imagines, tu l'écorches tout le temps comme ça La personne, elle en a marre, non <laughs> Oui, okay, ouais, non, mais cool. oui, justement, c'est ça, c'est qu'au moins, déjà, dans les premiers temps, les premières fois, tu fais l'effort. Les gens saluent l'effort. Ensuite, comme justement, tu, tu, tu tu y vois de l'importance, comme tu vois de l'importance pour cette langue, tu te rappelles qu'il faut que tu te corriges, qu'il faut que tu progresses, tu vois donc il y a ça aussi, c'est que c'est aussi, euh, ça, ça, se fait aussi par étapes, euh, c'est possible. Ça peut se faire par étapes et c'est possible et c'est euh, une bonne chose. C'est pour ça que je dis que, franchement, je suis pas, moi, je suis pas contre le fait de, de glorifier et en même temps de, de se dire qu'il faut, que c'est aussi, euh, qu'il faut, dé, enfin, pas dévaloriser, mais se, de pas forcément mettre tout le temps sur un piédestal la, notre langue, en fait. C'est qu'elle elle est proche de nous. On la glorifie, mais elle est proche de nous. On a le droit, on y a accès et euh, on peut faire des erreurs pour progresser. Voilà. Non, si, on, si on dit qu'on fait des erreurs pour progresser, ça c'est possible et et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on ah. apprend. Les erreurs, enfin, les erreurs, c'est pas un échec. Les erreurs, c'est une occasion d'apprendre et de progresser. Ouais. C'est vrai. Peut-être que je suis trop perfectionniste avec ma propre langue natale. <laughs> ouais. Après, euh, ça se comprend aussi, mais. Euh... oui, après, voilà, c'est l'occasion de progresser. Peut-être qu'après, tu seras prof euh, de créole, on ne sait pas, tu vois. à force de progrès que tu auras fait et tout, des écrits, des, des chansons que tu auras écrites, des analyses de textes que tu auras faites, peut-être que tu deviendras arabe de créole. On ne sait pas. Ah, c'est compliqué, hein bah, <laughs> euh, Pourquoi pas Mais t'es une chanteuse, euh, non Oui, oui. D'ailleurs, quand je parle créole et que je me sens bien, c'est quand je chante. Je peux ah. chanter des chansons créoles ouais. très facilement, mais mm -hmm. par contre, parler, non. <laughs> c'est bien hein bah pas tant que ça en fait c'est parce que du coup dans les chansons t'as enfin dans les chansons t'as un côté plus à bah t'es plus à l'aise parce que t'as pu répéter t'as entendu plusieurs fois euh, t'es entraîné par euh, es entraîné par la chanson et je pense qu'il y a aussi une légèreté en fait c'est un côté comme l'immersion tu vois quand tu vas chanter des chansons en anglais tu vas pas t'arrêter sur tu vas pas buter sur chaque mot tu vas pas t'arrêter sur chaque mot tu vas être, euh, tu vas être, tu vas être porté par la musique. Et puis ensuite, euh, bah voilà, advienne que pourra, tu prends juste du plaisir. Ouais, prends du plaisir. Mais j'évite de faire des yaourts quand même. Hein. Quand c'est les créoles. <laughs> quand c'est l'anglais, oui, là, tu peux sortir le yaourt quand ouais. tu veux, mais quand c'est le créole, <laughs> le je pas de yaourt. Genre, j'écoute bien tout ce que la personne dit. Et oui. Non, mais. oui, non, mais c'est une bonne chose. Je vais parler plus souvent. Je vais parler plus souvent. Tracing. Ouais. ok, bah franchement, non, franchement c'est une bonne chose et euh, il faut, il faut, il faut, et, euh, faut, ouais, faut autant glorifier que vraiment aussi ça, se rappeler que, euh, que c'est proche de nous et qu'on a le droit de faire des erreurs. Les erreurs, euh, les erreurs nous, a, nous, servent à progresser. Parce que même justement, ça me fait penser à, à un, petit, un, un petit texte que j'ai écrit dernièrement par rapport à ça, c'est, euh, je l'ai appelé tête nègre, ça veut dire qu'il y a, grand, qu'il y a beaucoup de valeur. Et euh, faire pour prendre plus valet, faire pour comprendre. Parce que faut faire des, je vais vraiment faire des erreurs, c'est faire des erreurs, c'est bon, fais, faisons des erreurs pour, euh, pour, pour, euh, pour, comprendre en fait, pour, pour avancer, pour progresser. Euh, c'est un moment qui est très, enfin, c'est un moment qui a beaucoup de valeur en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir faire des erreurs. C'est un moment qui a beaucoup de valeur en fait. Du coup, euh, ouais, enfin, euh, oui, vas-y, tente, tente, et appelle-nous, euh, euh, appelle les podcasts pour qu'on puisse euh, t'entendre parler en créole, chanter, euh, et la totale, tu vois, c'est... On prend rendez-vous <laughs> Pas de Bon, la semaine prochaine, je viens avec un son. <laughs> Euh, tu me dis ça, moi je t'appelle la semaine prochaine Hein. <laughs> Moi tu me dis ça, je t'appelle. Moi tu me, tu me dis ça, je t'appelle la semaine prochaine, je t'harcèle. Direct. <laughs> Mais il n'y a pas de souci. Je t'appelle, chérie. <laughs> ah, mais moi, ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah, et tu as le, tu as le texte Quel texte Lequel C'est-à-dire Tête neg. Ah, tête neg euh, Ouais, ouais, je l'ai. Bah, euh, il est sur. Tu peux nous euh, lire un petit, un petit mais, mais, mais, avec très, très grand plaisir. Euh, oui. C'est sur le blog, hein, sur voyageonlocal.blogspot.com. Euh, du coup, euh, bah, voyageons local. Hein. Et euh, sur Blogspot, euh, j'ai mis, mis l'extrait, enfin, mis le texte original sur, euh, sur Blogspot. Et euh, il y a aussi un. Moi aussi, je l'ai lu sur Instagram, mais je vais le relire ici. Et donc, donc, je l'ai Il est ou... Bah alors, il est sur le blog et il, est bien, euh, il a bien été diffusé. Ah voilà. Moi, je l'avais. Ouais, en plus, il date de mars. <laughs> il date de mars. Ah, hop là. Là où apprendre une langue, faire pour comprendre. Faire pour by please valer. Essayer, faire. Pas arrêter à attendre. Au soit où réussit, au soit où apprendre. Occasion ça, c'est tête nègre. en nous songer, en nous qui témoignons faire, en nous songer, en nous progresser, essayer, faire, pas arrêter à attendre. Au soit ou réussi, au soit nous apprendre. Ambition tout y rate. Là où capable, ambition bail. Essayer, tout n'est capable, et puis réussir. Occasion ça a ses têtes nègres. Les nous apprendre, on nous faire pour nous comprendre, on nous essayer, on nous vancer, vancer, sans arrêter. Ouais. Ah ouais, j'aime bien. C'est vrai. <laughs> je te remercie. Ah oui, je kiffe. <laughs> je te remercie, c'est gentil. Je te remercie. Oui, non, c'est. Bah, en fait, les, euh, là, pour revenir à ça, euh, les, euh, les, textes, c est, tous ces poèmes que j'écris depuis 2017, euh, en fait, c'était vraiment. Ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait par étapes. Au début, moi, j'écrivais des petits SMS. J'avais commencé comme ça, des petits SMS, des petites cartes de vœux euh, depuis 2013. Et puis ensuite, depuis 2017, euh, bah, je, je, suis passée à l'écriture, à la création originale. Et euh, j'ai vraiment fait des, des petits textes, des, petits, des petits rimes. Et puis de plus en plus, bah, du coup, au fur et à mesure, euh, ça m'a poussé à faire des recherches et puis après à, avoir des, euh, à faire des textes un peu plus longs. Et, euh, et, du coup, bon, maintenant j'ai euh, mon recueil de poèmes euh, et euh, il est diffusé aussi sur la plateforme éducative du MIT. Mais ouais, le fait de, en tout cas, le fait d'écrire, ça permet aussi de progresser. on se pose des questions, on a les mots qui viennent, euh, on essaie aussi de voir les expressions et tout ça, de jouer autour des proverbes. Et, euh, et puis même aussi, bah, euh, ça, ouais, j'avais, euh, quand j'avais écrit, j'avais encore des, euh, il y avait encore des fautes en termes d'orthographe. Mais le, fait de, le fait de continuer d'essayer, ça, ça, permet aussi de, de, les mettre en évidence et puis de, de se dire, bah, de pouvoir appuyer du coup sur, sur les sur les progrès à faire, sur les mots euh, qui, euh, que je connaissais moins, que je connaissais pas assez, que j'avais pas bien vu. Et euh, du coup, euh, c'était juste l'occasion, c'est juste l'occasion de progresser, quoi. Donc, euh, oui. c'est bien. Je sais pas ce que j'arriverai à ce niveau-là, mais je vais commencer. Mais c'est quoi le niveau C'est pas, euh, <laughs> enfin, de ce niveau-là. Non, c'est, enfin, c'est même pas, c'est même, même pas ouf. Ça va. <laughs> oui, non, ça, non, voilà, c'est ça, c'est que ça va. C'est pas, c'est pas quelque chose de malade, c'est pas un niveau de malade, c'est, euh, ça va. C'est juste ça va. Ah ouais, quand même. C'est-à-dire <laughs> Alors déjà, je vais m'occuper de mon blocage. <laughs> Le mon blocage euh, qui fait que j'arrive pas euh, à, à, parler, euh, à parler créole. Mmh. Et peut-être qu'après, je pourrais faire des poèmes. non, mais en fait, comme tu Et dis... vraiment avec la spontanéité, je pense. Enfin, un ouais. peu plus, euh, Mais je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Peut-être que je manque un peu de confiance. Il y a, en fait, euh, je te rejoins sur le fait que, euh, effectivement, pour se jeter à l'eau, il y a un petit peu de confiance. Un petit peu de confiance, il faut aussi de la, avoir des gens bienveillants autour de soi. Mais il faut vraiment y aller par étapes. Faut, mais, enfin, je trouve que c'est une hérésie de se dire que du jour au lendemain, on va parler euh, la langue euh, comme, les nati comme quelqu'un qui est euh, qui, comme, euh, comme un natif, en fait, comme quelqu'un qui, qui, qui, vraiment pratique tout le temps. Euh, on ne peut pas parler couramment une langue sans, euh, sans la pratiquer. Donc, ouais, il faut commencer du choix. Mais quand on la parle tout le temps autour de soi, tu vois ce que je veux dire bah, pour toi, même quand tu réponds en français, tu as l'impression de répondre en créole. <laughs> ça compte pas, ça, ça compte pour du beurre. Toi-même, tu vois. <laughs> non, effectivement, non, de comprendre, vois, ouais. oui, non, mais euh, effectivement, c'est que tu comprends. Et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il y a aussi cette clé, tu vois. Tu comprends le créole. À force, que ce, à force de baigner dedans, tu le comprends. Ah ouais Et en fait, le truc, le fait que des fois, je cherche mes mots, je me dis, mais pourquoi je cherche mes mots Puisque je connais ces mots. C'est oui, dingue. C'est qu'il arrive en français aussi de chercher ces mots. Bon, bah, les cherche plus, réponds en français, c'est pas grave. oui, mais voilà, non, mais ça peut arriver aussi en français de chercher ces mots, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave de chercher ces mots, ça peut arriver à tout le monde et dans toutes les langues. Non, tu vois, parle créole, tu vois, c'est pas possible, tu te dis, mais non, tu vois, tout le monde parle en créole, tu peux pas <laughs> chercher des mots. Créole, pas, les créoles, comprendre. <laughs> non, je déconne. non, mais ouais je, ouais, je vois, mais euh, en fait, franchement, <laughs> ne, pour moi, vraiment, euh, déjà, le fait que tu, sois, que tu baignes dedans, t'es déjà bien, en fait, t'es déjà, es dans une bonne atmosphère. On va dire, t'as as déjà la, as déjà l'immersion, en fait, t'as déjà le côté immersif. Donc après, faut, faut vraiment y aller doucement. Faut vraiment y aller par étapes. Et euh, du coup, ça, ça commence tout petit. Tu sais, ça peut être de plus en plus de messages en créole. Tu, sais, tu peux écrire des textos en créole. Et puis après, si vraiment tu as, as, un truc qui te vient, une petite inspiration, bah, tu la notes quelque part pour, euh, pour un mini poème. Et puis ensuite, tu en feras des plus longs. tu vois. Mais il faut vraiment que ça commence par étapes. Même ça peut être des cartes. Moi, ce que je... ouais, les premiers trucs que j'avais fait, c'était des cartes de vœux, par exemple. J'avais écrit des cartes de vœux en, en créole pour, pour, le nouvel an. Et ça, c'était en 2000, euh, 2014, je crois, 2013-2014. Donc, ouais. Euh... ouais ah, c'était 2015. Ouais, donc euh, c'était. Ouais, de... Non, c'était ouais, 2004... en 2014 pour 2015. Voilà, c'était ça. Et euh, mmh. du hmm. coup. Euh, tu me dis ça parce qu'on est presque en fin d'année, c'est pour me mettre. Euh... Ah bah, c'est <laughs> l'ambiance. Euh, là, c'est ça, c'est l'ambiance. Hein. Euh, voilà. On est oh, dans l'ambiance. <laughs> voilà, là c'est la, la prochaine journée quoi. La prochaine journée en créole,

Mais montez! Non, mais ou fait, ou fait, et puis ou essayer. C'est ça qui est bon encore, c'est ou essayer. Comme ou essayer, c'est comme mm. ça va progresser. Et c'est ça qui est important encore. Oui. Non, ça belle, ça belle. Je suis content de connaître qu'on y a. On pourra continuer. Qui fait, n'a gagné un paquet de messages pour vous voyez nous, en bon créole pour nous. Oui. Ça belle. Merci, merci en l'eau. oh, oh, regarde, causé. Oh, content, oui. Oh, oh. pour <laughs> non, mais c'est bien, tu vois, c'est ça, c'est des petites choses. faut commencer petit et puis après, faut y aller euh, de plus en plus. Euh, enfin, euh, voilà, c'est comme ça qu'on progresse. C'est étape par étape, un pas après l'autre. Et puis ensuite, euh, tu pourras jouer autour des proverbes, les devinettes. Et toutes les devinettes, les, euh, tu parles, c'est des chansons. Donc ça, les chansons, c'est hyper bon. C'est une très bonne chose. Et puis... Euh, ouais, Après, c'est toujours étape par étape, quoi. C'est pour ça ouais, que, euh, du coup, moi, quand, euh, quand j'analysais mon apprentissage du créole, et avec euh, bah, comment aussi je pratique euh, l'anglais, comment j'ai pu m'améliorer et comment j'ai pu aussi. parce que je vais pas mentir, hein, pour, là je suis à fond sur, sur le créole, mais je parle toujours beaucoup mieux anglais que je ne parle créole. Donc, euh, parce que il euh, y a ce qu'on peut apprendre à l'école, mais c'est beaucoup la pratique. C'est ouais. quand c'est vraiment, c'est, on apprend, c'est on va apprendre la minorité active. Ça, c'est, ouais. euh, ça, va être, euh, ça va être les films en VO, euh, comme tu l'as dit, les chansons. Après, tu, ça peut être de lire des articles. Et moi, je vais lire des, beaucoup de commentaires euh, en, en, créole, euh, du coup, sur les réseaux sociaux notamment, ou euh, lire des fois des petits articles, du coup, de blogs en, en, anglais. Attends, je crois que je me suis mélangée ah. là. <laughs> mais je lis beaucoup non, sur les réseaux sociaux. Bon, je lis un peu de choses en créole parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, mais je lis, beau, enfin, je suis beaucoup de, de, euh, d'influenceurs et d'humoristes beaucoup en anglais. Enfin, j'ai dû me mélanger à un moment donné. Et, euh, et du coup, voilà, donc euh, la pratique de l'anglais, c'est comme ça. Et c'est vraiment, du coup, en pratiquant, dans des exercices, que, euh, qu'on, qu'on progresse. Et donc, d'où la méthode après, que j'ai, en analysant, que j'ai pu euh, développer, du coup, euh, apprendre une langue pendant qu'on était actif. C'est ça, ouais. c'est. Euh, il y a le côté immersif, ok, parce qu'on parle toujours d'aller. Euh, les gens, ils te disent, oui, faut que tu ailles dans le pays pour parler, pour parler la langue. Mais euh, je pense que ce côté immersif, on peut l'avoir, on peut, se, on peut l'avoir euh, à côté de chez soi, on peut l'avoir en local, voyageons local, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que ouais, j'attends avec impatience tes petits SMS euh, de carte de euh, et puis euh, et tout ça, tout ça. <laughs> Ok. Euh. Donc petite question, euh, tu avais déjà vu un peu les jeux qu'il y a sur les sets de table euh, De quel jeu tu te rappelles et qu'est-ce que tu en as pensé Alors je me rappelle des jeux Euh, sur euh, la localisation des, des, villes. En fait, c'était des questions. Ouais. Et euh, on devait en fait repérer quelle région ou quelle, oui, quelle région en fait en Haïti. Oui. qui était sur la carte. Et j'aimais bien aussi l'autre jeu avec les proverbes. Ah, en oui. fait, euh, même si on ne comprend pas, enfin moi je ne comprends pas forcément euh, euh, tous les mots du, du créole haïtien. Mmh. Mais en fait, le fait de, que, que tu puisses nous dire en fait euh, un proverbe haïtien ouais. et, deviner en fait le sens, même si on ne comprend pas le créole haïtien, mmh. et eh ben, j'ai trouvé ça super euh, enrichissant en fait. oui Ah, en merci. fait, de, déjà, en fait, de la, la traduction en fait, de, du, du, créole euh, haïtien au, au français, et mmh. ensuite l'interprétation du proverbe. Enfin, c'est vraiment le, le, tout, en fait. Ouais. Le, et euh, j'ai beaucoup, en fait, du beaucoup apprécié. Parce qu'en fait, on apprend en même temps euh, le créole haïtien, mm. en même temps, on apprend euh, ce que signifie, euh, enfin, comment, euh, comment euh, les, les, nos ancêtres, en fait, voyaient telle chose. Et c'est oui. une vision que nous, euh, en 2020, on n'a pas du tout, mais que eux, ils voyaient déjà à l'époque, au point de faire le proverbe, et on ne le voit mmh. jamais dans ce sens-là. Et je trouve que, euh, même si on est en 2020, on a en fait une vision euh, très limitée des choses, en fait. <laughs> ouais, non, mais bah, c'est ce euh, grave, enfin, c'est grave vrai ce que tu dis. Ce, ce regard, euh, j'aime bien moi. Ouais, parce qu'en fait, c'est. Euh, ouais, <laughs> franchement génial parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup moi aussi. C'est, euh, c'est, ouais, parce que parole grand monde, c'est, c'est longan. Bouchot senti, mais c'est, mais Bouchot, c'est longan. C'est, euh, ouais, c'est Chilo sagesse, tout ça. Enfin, euh, il euh, y a beaucoup, euh, du coup, de réflexion. Enfin, il y a tout un, grâce aux proverbes, grâce aux devinettes, on peut prendre euh, du recul. Et en fait, si ça, c'est que c'est, c'est, c'est une occasion aussi pour prendre du recul et justement pour voir une autre réalité. pour, se, euh, pour aller ailleurs, en fait. Hein, pour, euh, C'est exactement ça. Pour ouais. voyager ailleurs, voir une autre réalité. Et euh, du coup, ça fait que et des situations, bah, comment elles vont être expliquées, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y aura aussi comme euh, comme association qui sera faite, à quoi ouais. je vais être associé euh, du coup, a euh, qu'est-ce qu'il y a, enfin moi j'aime beaucoup les, les devinettes, mais attends. Ouais, voilà. Par exemple, on dit, ils ont seul doit pas, man on peut pas manger calalou à, à qu'on seul douette. Ouais. Et euh, calalou, c'est le gombo. Et en fait, c'est que euh, le gombo, il, il, glisse tellement que si tu, si tu, le manges avec un seul doigt, tu pourras pas, il, ne va pas rester sur ton doigt, en fait. Il va tellement être en train de glisser que euh, il, ça va, ça va, ça, euh, ça, sera tellement en train de glisser, tellement visqueux, que euh, avec un seul doigt, il va juste tomber. Tu ne vas pas manger. Alors que si vraiment tu mets plusieurs doigts pour manger, tu, tu euh, pour ramasser du coup le, le gombo, la sauce du calal, bah, le calalou, le gombo, le, bah, tu, tu, pourras le faire, ça pourrait, ça pourrait être possible. Et c'est dans le sens aussi que euh, tu ne peux, pas, tu peux, pas arriver, tu peux pas y arriver tout seul. Ouais. Euh, donc, euh, c'est des. Euh, et voilà, là, c'est. Euh, on fait référence à des choses qui sont proches, il faut faire référence à des choses qui sont proches de le, le calalou. Ouais. Ou encore, même avec les devinettes, Euh, quand on dit euh, Tim Tim, sec m'a cherché Tipierre. Tipierre arrivait avant. Euh, je suis allée chercher Tipierre. Tipierre est arrivé avant moi. Bah, c'est notre coco. Parce que euh, faut, monter, faut monter au cocotier, faire tomber notre coco, donc Tipierre, pour ensuite pouvoir, la, pouvoir redescendre et, et, et, la déguster. quoi. Donc, euh... non, franchement, j'aime beaucoup. moi, j'aime beaucoup tout ce qui est proverbe, devinette. Et, euh, et je suis contente que tu aies euh, bien aimé, que tu aies, que aies fait ce, ce bel accueil du coup euh, au jeu. Parce qu'effectivement, il, il y, a la partie, il y a le proverbe, donc en créole. Il y a une traduction littérale, donc vraiment mot à mot. Et ensuite, du coup, je propose un équivalent en français. L'équivalent français ouais. du, euh, du, proverbe. Et, euh, et, puis après, comme ça, ben, comme il y, a, il y a deux versions de ce jeu, il y en a un où il faut, justement, il faut mimer euh, et faire deviner aux autres, le pro, comme il y en a, le, le proverbe qu'on a choisi parmi quatre, quatre propositions qui sont affichées. Quoi. mais c'est sympa ça. Ouais. <laughs> ouais. C'est vraiment un jeu. Qu'est-ce que tu as à faire en, en, famille, moi je trouve ça sympa. Ouais. Oh, en plus c'est bientôt les fêtes de famille. Bah ah, ouais. alors je vais peut-être prendre euh, quelques trucs sur ton site. Hein ok, bah avec plaisir, c'est là, c'est <laughs> disponible. <laughs> <laughs> Bah, du coup, Noël. ouais, bah parfait. Il euh, y a l'article, il y a un article justement euh, pour, il euh, y a un article sur les euh, sur les jeux sur les jouettes euh, digitales, tous les jeux digitaux, euh, du coup qui sont sur Voyage en local et donc qui sont disponibles hein, sur le blog sur voyageonlocal.blogspot.com Euh, et puis, il y a aussi effectivement les sets de table. Donc, euh, avec les sets de table, il y a juste à scanner euh, sur euh, les QR codes sur, euh, sur le set. Mais en tout cas, c'est possible effectivement de les avoir directement sur le blog et puis de, de s'amuser avec. Quoi. Et c'est aussi sur YouTube. C'est aussi sur ah, YouTube. donc, euh, tu peux aussi, du coup, faire passer les, les vidéos avec, avec les jeux et puis pour pouvoir justement le mettre sur l'écran et que tout le monde puisse profiter en même temps. quoi. c'est super. Merci. <laughs> bah, merci à toi. Euh, du coup, moi, j'attends tes messages pour, euh, pour la nouvelle année. Hein tes messages en créole. Oh. Oui. je n'y manquerai pas. <laughs> bon, ben je te remercie euh, pour, euh, pour cette discussion. Et bah, euh, bah, je te laisse le mot de la toi. fin. Merci de m'avoir invité. <laughs> merci en pile. Donc, euh, c'était l'épisode 10. Voyage en local, quelques mots, et le voyage commence. À bientôt. À bientôt.